Thank you. asalaamaaleykum maa ngi tudd Cheikh Ahmed Tidiane nekk élève en classe de terminale S1 bon leen rek moo waroon suñu mën naa sama collègue wax na résumé na lépp en français bon leen rek lañ amoon lu ñu wax mooy que ni suñu grève yi bon dañ si sonn quoi dañ si sonn trop parce que depuis kañ da ngay dem seen kër war a ubbi kaye loo dara doo am loo jàng da ngay mujj nekk di anticiper comme genre yooyu te anticiper boobu élèves def am na ñoo ñun bon ñun défendre ñu professeurs yi en fait loolu dañ ko di préciser ñun défendre ñu professeurs ñun leen lañ défendre suñu bopp parce que professeurs ñun lu ñu am nañ ko ba pare ñun ngi gërëm mais chaque fin ñoom dañu jot seen salaire leen lañ lépp lépp lépp ñoom dañuy yoo ñu koy xeex dañ ko war léegi état bi ñu génnee si élèves yi parce que ñun tamit dañoo sonn quoi dañoo sonn en fait parce que da ngay gis élèves yu bari seen parents sax pour ñu jox lekk problème la pour ñu jox leen passe la da gis koo xam day jógee seen kër ñëw ba fii ñu wax ko déménage 9 mu génn dem ñibbi waat xoolal ko am ñoo xam dañuy jógee ba Malika di dox pour ñëw si Guédiawaye di jàng chaque jour léegi kooku yow su fekkee noonu la ñëwee chaque jour su fekkee cours une heure temps lay def sax même su fekkee xelam su te xam ne fu ñu grévé fu ñu ñibbee nañ jàng suñu leçon parce que ñun ay élèves terminal en fait parce que muy taw muy nees dañuy def bac muy taw muy nees dañuy yu nga gis yëpp ñu jàll amul benn loo ne am na suite bu amul amul parce la dañuy mujjee dem di xeex di santé ay xeex policiers yi te policiers yi tamit dañoo war a yërëm te xam ñu seen raq lañ bien vrai que parce am na dara acte acte terrorisme su fi amoon nekkul ñooy génn en fait dem xeex ñoom ñooy génn jàkkaaroo gars yi di xeex kon de ñun dañu leen war a jox respect mais ñoo tamit respect boobu ñoo tamit ñu ko war a delloo nit ay nit di grève élève benn élève sànniwu xeer kenn deful dara nga jëbi saak dóor la kormise mel ku yor ay nag wala ay xar xam ne mooy loolu ay mag lañ ñu seen doom lañ seen seen raq lañ leen am na quoi xaw ma état bi dañoo rëy xaw ma dañoo amul ay organe de sens xaw ma nu mu mën demee noonu parce que ñaata jour élèves yaa ngi grève doogoo mu ko jógee sax si ministre nu tudda de l' éducation amul sax fu mu tax a wax kon xam na ñu ngi grève kon lu tax mu defal communiqué di di ay avancé nañu compo kon moo xam na lu xew kon lu tax lu mu bon bon mu génn fekkee deux minutes sax mu wax ak ñi

programme boo xam yaa ko def dira 9 mois yo xam ne yow yaa ngi 3 mois wala 4 mois wala 5 mois sax 2 leçons nga def té après ñom suñu régler sen guerre lañu def ñëw diñu sol leçons yi diñu jëndloo ay fascicule lo xam ne loo xam ne mënoon a ñàkk loo xam ne mënoon a ñàkk ngir yàlla suñu système dañ ko changer dañu changer suñu système parce que on a droit à l'éducation tamit bon ce n'est pas assez devant l'esprit bon mais le principal est de l'appliquer bien tamit donc ñom ngir yàlla ñom ñu yaakar ñom seen xel dafa baax ngir yàlla ñu jappalé. Mandaw Mbaye proviseur du lycée Seydina Limamou Laye de Guédiawaye Bon, cette situation nous inquiète. Euh, nous souhaitons que tout revienne à la normale. En ce moment, en temps normal, on serait en train de dérouler le premier semestre. Mais aujourd'hui, nous n'avons même pas pu faire euh, les premières évaluations correctement. Bon, nous souhaitons que les deux parties euh, les autorités gouvernementales et les syndicats se retrouvent dans les meilleurs délais pour trouver une solution vraiment durable à ce problème-là. Parce que tout le monde sait que le temps perdu ne se rattrape pratiquement pas. Euh, nous sommes vraiment très préoccupés. Parce qu'en tant que chef d'établissement, Bon, nous voulons mettre nos élèves dans les meilleures conditions d'études et d'apprentissage. Et malheureusement, aujourd'hui, la situation, tout le monde la voit. Nous avons perdu beaucoup de temps. Nous avons perdu beaucoup de temps. Euh, il n'y a pas pratiquement une semaine où nous perdons deux jours de cours ou même souvent trois jours. Donc nous lançons un appel aux différentes parties pour que chacune de ces deux parties-là fasse un pas vers l'autre. Et c'est l'école sénégalaise qui va y gagner. Parce que nous, nous n'avons que notre école. Et moi, je ne crois pratiquement qu'en l'école publique. Que nous tous qui vous parlons, nous sommes les produits de l'école publique. Pratiquement tous ceux qui tiennent les rênes du pouvoir aujourd'hui sont des produits de l'école publique. Bon, des perturbations, des difficultés, on ne peut pas en manquer dans un système normal. D'ailleurs, ce sont ces difficultés-là qui nous font faire des bons qualitatifs. Euh, et ces difficultés-là peuvent souvent dégénérer. Mais nous devons tous nous appliquer à encadrer ces, situations-là pour qu'elles fassent le moins de dégâts possible. vraiment des élèves qui n'étudient pas des cours qu'on perd, ça et là, c'est des problèmes. Les syndicats ont des revendications. Bon, l'État euh, doit les appeler et essayer de voir avec eux, parce que nous sommes tous des patriotes. Donc, essayer de voir avec ces syndicats-là qu'est-ce qu'il est possible de faire et que les choses reprennent le plus normalement pour, euh, au bénéfice de l'école sénégalaise.